Bonjour, le mystère autour de l'origine des cas d'hermatose qui frappent les pêcheurs et les trappes de l'immigration sont les sujets traités essentiellement dans les quotidiens reçus ce lundi 23 novembre 2020. Le soleil couvre sur la maladie dermatologie qui frappe le milieu des pêcheurs et affiche à sa une les recherches orientées vers les filets des pêcheurs selon le journal. Les premiers résultats écartent toute pollution chimique. Le Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale suggère de soumettre aux toxicologues et orientés les recherches sur les filets pour déterminer les causes des nombreux cas de dermatose constatés récemment chez les pêcheurs rentrés haute mer. La présence quasi permanente dans les quatre échantillons d'eau de l'acide flatique, du soufre, de l'acide benzène et de l'acide hexadécanoïque nous laisse suggérer de soumettre ces résultats d'analyse aux toxicologues et d'orienter les recherches sur les filets utilisés pour l'épaisseur, indique le centre dans un document. C'est le flou total selon Libération au sujet de l'origine de ces cette maladie euh, qui affecte les pêcheurs. Dix jours après la découverte des euh, premiers cas, le mystère reste entier. Des prélèvements effectués en mer relèvent la quasi permanente de soufre de l'acide, rapporte la publication. la ajoute, les chercheurs suggèrent de saisir les euh, toxicologues et de concentrer les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Selon l'enquête, le mystère enveloppe toujours l'origine exacte de la maladie qui frappe les pêcheurs. Si la présence de produits suspects a été confirmée par les spécialistes, il faudra attendre d'autres analyses pour avoir des certitudes plus viables, écrit le journal. L'origine de la dermatose, c'est les pêcheurs toujours inconnus selon le quotidien qui estime que la psychose perdure. Les pêcheurs vont devoir garder leur mal en patience avant de connaître l'origine du mal qui touche certains de leurs collègues. Les dernières analyses effectuées n'ont pas permis d'avoir une réponse claire. Ainsi, la piste de la recherche est orientée vers les filets de pêche, écrit l'As quotidien. La tribune met en exergue l'immigration clandestine et note que des drames se suivent et se ressemblent. Ce week-end, il est encore fait état d'une pirogue qui a savuré avec à son bord 150 personnes qui n'est sans colération avec l'annonce de 100 jeunes migrants portés disparus après trois semaines passées en mer sans avoir pu faire cap sur les côtes espagnoles puisqu'ils n'ont pas retrouvé leur sommet, lit-on dans le journal. Le quotidien ça relève la stratégie de l'immigration clandestine continue à d'endeuiller le Sénégal. En effet, un autre drame et le savirement d'une pirogue de 150 migrants ayant quitté Mbour et qui a atterri au Cap-Vert. L'observateur rapporte que pour traquer les réseaux de migrants, l'Espagne envoie des policiers au Sénégal pour freiner l'immigration clandestine. L'Espagne va envoyer des policiers en mission au Sénégal pour freiner cette vague mortière de l'immigration clandestine. L'annonce a été faite hier dimanche par la ministre espagnole des Affaires étrangères en visite au Sénégal, écrit le journal. L'Obs aborde également les sec de l'État sur la de l'emploi des jeunes de Maître Abdoulaye Wade à Macky plusieurs structures ont été euh, dédiées à la promotion de l'emploi des jeunes, mais l'aridité des résultats a frais, souligne le euh, journal Vox Populi que l'Espagne se radicalise dans la lutte euh, contre l'immigration clandestine. Quiconque empruntera des routes illégales devra retourner dans son pays d'origine, a déclaré la ministre espagnole des Affaires étrangères, Aracha González Alaya. Le quotidien enquête aborde le recul du coronavirus au Sénégal avec cette interrogation à l'heure de l'immigration euh, collective. Le journal relève que malgré les déclarations des autorités, force et de constater que des mesures barrières à à être respectées et qu'il faudrait regarder ailleurs les raisons de la tendance baissière du euh, coronavirus. Interrogé par la publication, Dr Moussa estime que c'est l'immunité collective qui est en train de se euh, mettre en place, que ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est valable dans plusieurs pays d'Afrique subsaharien. À vos journaux et très bonne lecture à toutes. Ziatus.